Generation Show. Our Generation Show. salaamaaleykum man la Lichita artiste musicienne maa ngi ñëw léegi man ak sama chaîne OBS TV di leen présenter émission bu bees tàkk di ngeen ci gis loo xam ne nii bu leen ko kenn nettali man la ak sama frère Ali Dieye. yaa ma gën a xam Lichita noonu lay demee on a quelque chose pour vous nu bees tàkk our generation from OBS studio you know how it is so sama gars yi naka la na ngeen def toog leen ngeen xaar seen émission bu bees our generation coming very soon. our generation show. tous les 15 jours. ci TV. am ngeen problème Hello everybody, it's your boy Big Ali J, aka The Young Outsider. If you're just tuning in, welcome to your favorite show, Our Generation, with me, your very host. We are live and direct on OBS TV, your number one online TV in Dakar, Senegal. My name is Ali J, aka The Young Outsider. Je vous présente l'émission Our Generation Show qui vous parle de la culture musicale en général. Aujourd'hui, on célèbre notre sœur qui a une voix d'or. Elle se nomme Lichita. Allons-y. Welcome back to our generation. Nous sommes là avec notre sœur. Raconte-nous qui est Lishita. Ah, bonsoir. Avant tout, je vais saluer tout le monde, saluer mes hôtesses. Euh, aujourd'hui, je suis vraiment contente. Lishita, c'est une euh, artiste jeune talent qui vient tout, juste, tout récemment de commencer sa carrière musique. Ça fait même pas deux ans, je peux dire un an et demi. Lishita est une artiste de la Casamance Fier d'être Dola, fier d'être africaine. Sur le plan euh, artistique, quels, sont tes projets ah, Mes projets, comme tous les jeunes artistes qui sont ici au Sénégal, c'est de réussir sur le plan international, de voyager, avec mes hôtesses, <laughs> parce que tout le temps on est ensemble. D'ailleurs, on est des jumelles, et ça ne date pas d'aujourd'hui, euh, parce qu'on s'est connus dans un mouvement qui s'appelle le mouvement Rossi. L'initiateur du mouvement Rossi s'appelle Baba Amdi. Il est connu par tout le monde parce que c'est un écrivain, c'est un, artiste renommé. D'ailleurs, il écrit des chansons pour beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes d'artistes, beaucoup les jeunes d'artistes qui, sont au Sénégal. D'ailleurs, c'est lui qui écrit leurs sons. Est-ce que vous travaillez avec euh, un label Est-ce que je travaille avec un label Non, pas encore. Mais j'ai la chance d'avoir un orchestre. Mais est-ce que vous préparez quelque chose pour les fans ah, Bien sûr, pourquoi pas J'aimerais avoir un album, faire un tournée international et national. Ah, mais pour le moment, j'ai que des singles je joue la guitare. Je fais des soirées à Nyaning, Mour, Joal, Fadjouk, euh, aussi ici à Dakar, au Sangomar, en ville et partout. Et je suis aussi en même temps euh, la gérante d'un bar Resso. Je ne fais pas seulement la musique, je travaille en même temps. Euh, quel est votre dernier mot Dernier mot, c'est qu'aujourd'hui je suis fière parce que c'est mon anniversaire et c'est moi qui chante. Et cette télévision, c'est ma télévision parce que je suis animatrice là-dedans. Et bientôt, j'aurai l'occasion d'aller faire une autre émission avec une autre artiste, bien une autre artiste. Bientôt, Inch'Allah, avec OBS TV, Rishta sera là. Bientôt, Merci d'avoir suivi votre émission Our Generation Show qui se passe chaque 15 jours sur OBS TV, votre chaîne préférée. Thanks for watching your favorite show, Our Generation, which comes your way every 15 days on OBS Queen TV. Thank you for watching. We love you so much. See you next time. Thanks. Our Generation Show. Our Generation Show. Assalamu alaikum. waa askan wi man la Lichita artiste musicienne maa ngi ñëw léegi man ak sama chaîne OBS TV di leen présenter émission bu bees tàkk di ngeen ci gis loo xam ne ni bu leen ko kenn nettali man la ak sama frère Ali Dieye. yaa ma gën a xam Lichita noonu lay demee on a quelque chose pour vous nu bees tàkk our generation from OBS studio you know how it is so sama gars yi naka la ne ngeen def toog leen ngeen xaar seen émission bu bees our generation coming very soon. our generation show. ci Ops TV am ngeen problème